Niger. bienvenue dans tout ça à la FADA. Chers auditeurs, nous parlerons dans ce numéro de jeunesse et emploi des opportunités d'emploi qui s'offrent à ces jeunes qui représentent quand même la couche la plus importante de la population du Niger. Et nous verrons les secteurs d'activité dans lesquels les jeunes ont plus de chances d'obtenir un emploi. Pour mieux comprendre les réalités que vivent ces jeunes à la recherche d'emploi, nous avons posé notre studio dans les locaux de l'antenne régionale de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE à Niamey matasa da ce a muke terminus autour de nous des jeunes diplômés qui parcourent le tableau d'affichage à la recherche d'offres d'emploi au menu de ce numéro des témoignages des réactions des invités et en public mais aussi de la musique. Et pour finir, notre chroniqueur Olivier nous dira tout ce qu'il ne fallait pas rater de l'actualité des jeunes. Donc euh, ici à l'antenne de l'ANPE de qui est au quartier Terminus, comme je le disais, nous avons tout autour de nous des jeunes qui peuvent réagir ou poser euh, des questions aux invités. Nous avons avec nous Monsieur Ali Omarou, il est le président du Conseil national de la jeunesse. Monsieur Ismail, donc il est un jeune euh, à la recherche euh, d'emploi. Monsieur Boubacar Issoufou, chef service euh, statistique de l'ANPE. Également d'autres jeunes à la recherche d'emploi qui sont tout autour de nous, avec nous. Donc nous allons commencer avec ce micro totoir de Rukaya. Elle a rencontré des jeunes de la capitale qui ont parlé justement sur ce problème d'emploi qui les préoccupe. écoutons là ga ga ngimo o kango kandakti janga de no boren bin bora sambu bana me noro sambu kun mo ba kwarara no dai ginera no kan sanda gono din ni gina dan habora singa ne noro kankin ne ba donc wodi sanda no kanda mai keken Sifal ba na. kul kam man tingo si siyasa rano ba ni go wani go no ba diploma gin seno se dum man tin gondo bor si rani singa chansi ir kam gone o so ir gone diploma me ba ne nim ko hay fote naste ay man soutien ner kala en 2012 master de no ga en logistique et management avant er ta entretien kala am ta entretien ga bor 30 entretien te bor folon ni ba c'est pas facile allah kan go sandate da giti chômeur no bad poste kayang la dernière fois il y 45 nona dossier foin déposé au Qui ne retenir on était au nombre de 15 personnes 15 personnes era en bo de nigba di asfala Monsieur Issoufou, vous venez d'entendre la réaction de, des jeunes. Oui. Il Goyo Sifala. Il faut la Bon, de prime abord, euh, je dirais que le marché de l'emploi, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Et il est évident que les entreprises ont le choix de la personne à recruter face aux compétences exigées dans le profil, en tout cas publié au niveau de la domiciliation de l'offre d'emploi. Donc face à cela, les entreprises ont leurs exigences. Néanmoins, par rapport à ça aussi, la NPE propose des solutions pour se rapprocher en tout cas des exigences de ces entreprises. C'est en ce sens que l'ANPE accompagne les jeunes à travers des programmes pour euh, avoir une expérience parce que c'est surtout ce qui fait la différence et c'est ce qui est exigé par la plupart euh, des entreprises lors du recrutement. Néanmoins, les difficultés aussi, ils l'ont dit, face à l'offre et à la demande. La demande dépasse l'offre euh, du double ou bien du triple même. Donc les postes offerts par les entreprises, euh, c'est face à la situation économique. Donc euh, ça, c'est l'économie, la production nationale qui détermine la création des postes d'emploi. wannan kundi da nace muku yake kula da duka wannan matasa masu neman aiki to ya ce dai su dai suna bakin kokarin su amma kuma amma kuma masu tambaya aikin sun yi yawa kwarai sun musu yawa kwarai kuma su wa'annan ma'aikatocin masu nema ba da yawa bane kenan aikin da ake nan gaba da ba da yawa bane to yanzu muna so mu sani eh, ismagil qu'est-ce que tu peux tu as ce euh, problème aussi Tu as ce problème aussi euh, Oui, je l'ai rencontré ce problème parce que plusieurs fois, euh, nous parcourons le, site de Niger Emploi. Donc, par rapport à, au diplôme que nous avons obtenu, donc nous cherchons un peu là où, c'est-à-dire il y a une demande par rapport à, notre formation. Donc, nous faisons de notre mieux pour pouvoir postuler à chaque fois que nous voyons une opportunité, c'est-à-dire une demande. Donc, euh, mais quand même, c'est pas facile parce que plusieurs fois nous avons euh, postulé soit en ligne ou bien, c'est-à-dire le dépôt dans les différents euh, sièges mai sanafa abu mai ba da komi ba mai ba da komi to yanzu menene menene matsala karatun da kai ne ba irin shi bane ake tambaya aikin ko ko menene dai matsala dai ko ko karhin ka ne bai kai ba ya ne aka me aka no moi j'ai eh, j'ai une licence en journalisme audiovisuel donc forcément je ne peux chercher que là où il y a une demande par rapport à euh, à mon à mon diplôme à la formation que j'ai eue donc euh, des fois c'est dans les différents, euh, dans les différents, comment dire, les, les, différentes ONG qui, demandent, c'est-à-dire le profil euh, qui nous convient. Donc, si nous arrivons à postuler en ligne, surtout si, si c'est le fait de postuler en ligne, vraiment ça constitue un problème. Moi, je préfère beaucoup plus le fait d'aller euh, déposer, le dossier, au, au siège. Donc voilà. Mais monsieur Issoufou, et cette question vous êtes également adressée monsieur Alio. Vous, vous allez nous dire, y a-t-il vraiment suffisamment, suffisamment d'offres et de quelle qualité aussi Les offres d'emploi. Il y a la qualité par rapport à ce que, par rapport à la formation de ces jeunes, euh, de ces jeunes. Les formations qu'on offre, c'est suffisant au moins pour ceux qui ont, qui ont été formés. Si je dois faire euh, un feedback par rapport à la formation, ça fait partie des réalités qu'aujourd'hui, il y a toute une pléthorique de centres de formation qui font des formations qui sont malheureusement pas, en tout cas, adaptées au contexte socio-économique de notre pays, car les entreprises ne demandent pas de profils. Aujourd'hui, des formations, tu demandes aujourd'hui 100 dans le domaine de la logistique, tu peux les avoir alors que l'exigence euh, peut-être de notre économie n'est pas tout à fait adaptée aux besoins de ce type de formation. Donc la, décision même d'aller en formation est un face aux besoins de notre économie. Pourquoi Parce qu'une entreprise demande juste les compétences dont l'entreprise a besoin pour les mettre à, son service. Donc si tu ne réponds pas à ces exigences, l'entreprise n'est pas forcée. Maintenant, cette personne va se retrouver au chômage puisqu'il n'y a pas un besoin exprimé par les entreprises en fonction de sa formation. Voilà. Donc, monsieur Aliyo, clairement, akwai matsala na formation kin da kamar irin karantarshewar da ake ba dalibai da irin aikin da ake ke rakwai basu kan kasuwa kamar wa'annan ma'aikatocin masu neman masu aiki to basu kan wannan ya ne ku gani me ku gani ake iya yi ben, écoutez je pense que le responsable des statistiques de l'ANP l'a bien dit. Lorsque euh, l'offre euh, ne correspond pas à la demande, malheureusement, euh, beaucoup de jeunes diplômés ne peuvent que continuer à se plaindre. Et il va falloir que l'État, à son niveau, puisse revoir peut-être la formation professionnelle et adapter la demande à l'offre ou l'offre à la demande. Simplement parce que quand vous allez voir les filières qui sont enseignés dans ces écoles professionnelles, beaucoup de ces filières ne sont pas porteuses, ne sont pas adaptées, euh, comme il a dit, à notre, à notre économie. Donc les jeunes, après l'obtention de, de leur bac ou de leur BPC, doivent être orientés à choisir des filières qui sont porteuses, porteuses pour les entreprises nigériennes. juste après euh, cette pause musicale, on se retrouve juste après. Kalep tarane kenan yanzu mun shurari wannan waka tarhani ta sidiki diabate wannan mawakin na mali <laughs> matasa suna son shi wannan mutanen to yanzu dai muna so mu sani kamar anda aka ce matasa suna kuka sai a ce musu wai sai kuna da shekara biyar na experience il vous faut 5 ans d'expérience pour accéder à un poste ko sunada takarin takardun da ya kamata sun yi karatun da ya kamata a ce musu sai sunada da 5 ans d'experience sai sunada shekara biyar to wanda bai fara ba ya za a ce musu sai ya yi shekara biyar yanzu ku mutanen ANP me za ku ci abuska wannan abin Le, le, manque d'expérience constitue en tout cas un des facteurs hein, qui limite l'accès à l'emploi pour la majorité des jeunes. Euh, ce problème-là, nous avons beaucoup réfléchi là-dessus pendant plusieurs années. On a essayé euh, à notre niveau de convaincre les employeurs en les incitant à recruter les jeunes à travers un certain nombre de démarches qui sont des démarches au niveau de l'ANPE. Euh, au niveau de l'ANPE, pour faire face à ce problème d'expérience, nous avons initié un programme, un programme qui permet euh, d'acquérir un peu d'expérience, même si l'expérience n'est pas suffisante. En tout cas, c'est de l'expérience quand même, à travers notre programme euh, de contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle, le COSIVIP que vous connaissez. Chez euh, Karabaya Kadan Sacheshikadan. Mais depuis 2016, on l'a rénové et nous sommes en train d'exécuter ce programme avec euh, un projet de la Banque mondiale qui s'appelle le PRODEC, euh, qui fait que, bon, on est en train de prendre beaucoup de jeunes, les placer en entreprise, non seulement pour assurer une mise en relation avec des entreprises, faciliter le passage de de, l'école à l'entreprise, mais aussi leur donner un peu d'expérience hmm, qui leur permettrait de faire face à ce manque d'expérience que les employeurs sollicitent chaque fois qu'ils euh, euh, font une offre d'emploi. Donc voilà, euh, mais le problème persiste toujours parce que, comme vous l'avez dit, pour avoir de l'expérience, il va falloir exercer. Hein? est Bonjour, je m'appelle Amadou Ismail, je suis nigérien résident à Lomé. Il y a plusieurs boulots qui s'offrent à Niamey dans lesquels tu dépenses plus d'énergie et en fin de compte, tu, es moins rémunéré. Ce qui veut dire que tu t'utilises tu, pour un salaire très très minable. Et avec ce salaire, les jeunes ne peuvent pas faire grand-chose ni même subsister. Donc du coup, il est normal que certains jeunes préfèrent ne pas travailler, préfèrent rester à la maison parce que même ce travail n'offre pas de garantie d'assurance en cas d'accident de travail ou que ce soit. Donc du coup, beaucoup préfèrent rester chez eux à la maison. Voilà ma pensée. Et bonjour. En fait, j'aimerais intervenir par rapport à votre thématique d'aujourd'hui. Eh, sur les conditions qu'il faut suivre pour que la jeunesse puisse accéder à un emploi. Et surtout, on voit que dans ce processus, parfois la jeunesse est sélective. Je crois bien que c'est vraiment un problème majeur et récurrent très malheureusement dans nos institutions. Je crois bien qu'il faut qu'on arrive à interpeller l'autorité politique qui est vraiment dans son optique de faire intégrer la jeunesse dans le monde d'emploi, il faudrait qu'ils arrivent à bannir un certain nombre de critères. Moi, je suis pour le recrutement de vraiment des personnels compétents et compétitifs en qualité aussi. Mais bien, il y a certains critères que, vraiment que le gouvernement doit revoir quand il s'agit de recrutement dans l'offre d'emploi. Il faut qu'on dise à ah, dans le recrutement, il y a le critère moi qui me gêne, c'est vraiment au niveau des l'ancienneté que vraiment parfois le gouvernement exige. Il faut que la personne à, à encaisser 5 ans ou 10 ans d'expérience, mais je crois que l'expérience qui n'a pas commencé par zéro. Donc je crois bien que vraiment ce critère-là, si on dit il faut que la personne ait un nombre d'années de, vraiment d'expérience, ça ne peut pas y aller. Donc euh, je crois bien que tout le monde a commencé par zéro. Il faudrait à ce qu'on arrive à barrer ça. Et puis c'est vrai, le recrutement aussi, il faut qu'on se les hein c'est sélectif vraiment. Je suis désolé de le dire parce que maintenant, ce qui est encore plus déplorable dans nos institutions et dans l'association nigérienne est que vraiment, quand un jeune part déposer son dossier, je suis désolé de le dire, bien que vraiment il y a une institution qui combatte aussi la corruption, mais je crois bien qu'il faudrait assez qu'on en parle. Parfois, on dit si vraiment ton dossier, une pierre n'a pas été posée là-dessus, ça risque de s'envoler. Je pense bien que vous savez de quoi je parle. C'est une métaphore que j'ai faite. C'est-à-dire qu'il faut qu'on glisse certaines choses en termes de corruption. Moi, je crois que cette euh, méthode euh, doit, être bannie de nos je et de, notre, de nos administrations. Et que vraiment, il faudrait assez qu'on fasse un recrutement sans complaisance ni sentiment, ni affection, mais on fait ça sur la base de qualité technique du personnel qui lui permettra d'accéder à un poste de responsabilité. Je crois en faisant cela, le Niger va en tout cas rayonner et l'administration nigérienne aussi sera compétente et compétitive aussi. Je pense être clair dans mes propos. Vous avez Halir Maman Isaka, étudiant l'université Abdou Moumouni de Niamey en troisième, en troisième année d'études psychologiques. Je vous remercie. Zainab, Zainabu sai sa Zainabu ke kin kare karatun ki kina nan kina neman aiki to yanzu muna so mu sani kin san da wannan sabon tsarin da ke da kwai na kina iya samun kina iya samun stage kin san da shi l'année 2016 que j'avais fini j'étais partie à Tawa donc là-bas quand j'étais partie à l'ANPE pour prendre ma carte donc, ils, m'ont, eu à m'expliquer qu'il y a un nouveau système où je peux aller dans une entreprise, me trouver un stage et revenir les voir. C'est eux qui vont me chercher un tuteur là-bas et cette personne va me suivre en faisant les stages. Comme ça, j'aurai un peu d'expérience quand même aussi. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que pour trouver les stages maintenant même, c'est un problème, surtout dans notre secteur. Moi, j'ai étudié la presse écrite. Un Danenei et de surcroît la presse écrite. Maintenant, pour trouver un stage maintenant, il faut, c'est comme on le dit, le truc de parents, et connaissances. Ça fait exactement deux ans que je cherche un stage. Jusque-là, bah, je n'arrive même pas à un simple stage. même le simple je hmm. n'arrive pas à trouver. Bah, c'est vrai, il eh, y, a, beaucoup de, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de besoins hein, euh, qui dépassent vraiment euh, l'offre. La demande dépasse exactement l'offre. Euh, on a beaucoup de demandes de stages qui sont ici, qui sont restées insatisfaites parce qu'il y a deux, deux, problèmes. Non seulement les structures d'accueil sont sont limitées, mais aussi il y a des structures qui résignent à accueillir même les stagiaires. En réalité, votre cas, euh, certainement, vous n'avez pas très bien suivi votre euh, demande. Si vous avez suivi votre demande, on aurait dit quand même vous trouvez quelque part où on va vous mettre, ne serait-ce que dans une radio privée, quelque chose comme ça. Ismail, maka wani par exemple construction hmm ina parce que j'ai pas eh, de notion par rapport eh, à la question des de, de bâtiments donc euh, sûrement d'accord donc euh, eh, moi j'ai un diplôme de journalisme si aujourd'hui on me demande de venir euh, travailler dans, dans le bâtiment, je crois que j'aurais de nombreux problèmes parce que... Si on te propose une formation... me propose une formation, je peux, je, peux, je peux accepter parce que vu mon statut est présent, donc je ne peux qu'accepter en attendant que je, je trouve satisfaction par rapport à, à la formation que j'ai reçue. Euh, pendant mes études. J'ai pas de problème, j'ai pas Oui. En tout cas, zaman banza parce que wanga zaman da da nike yi ban iya tsammanin abin da nike iya samu yanzu. Kenan in aka ce in zo akwai wata formation da nike iya yi wadda in na kare ta ina iya samu wani abu da zai taimaka mini kama in kula da kaina ina iya yarda da shi. Zan mu wata waka nan? ya yayi kuma ku ce na dai an yi sarkin Kano sunu na biyu duniya ta yi daɗi kuma ku ce Kano dan dami uban matasa yayi wannan kiɗin kiɗin mata ne in namiji ya taka yawa ne mu bar su sun sha'anin su mu da mu ce Kano dan dami uban matasa yayi Voilà, to euh, bonjour à tous. Ma question s'adresse aux experts. Quelles sont les informations dont les jeunes disposent par rapport aux opportunités d'emploi Ça, c'est ma première question. Euh, partant de là et parlant d'emploi, pour moi, on ne peut pas dissocier le système éducatif. Alors, c'est de concrètement savoir pour les jeunes éduqués, quels sont ces emplois dont ils refusent Sont-ils attrayants Ça, c'est ma deuxième question. Qu'est-ce que la NPE, pour finir, fait pour transformer le système de réemploiement de ces jeunes qui ne peuvent ou ne veulent pas faire ou tel ou tel métier euh, Je fais cet audio de Niamey, je m'appelle Halima Lawal. Merci. Voilà. Donc, euh, il serait bien de dire concrètement ce qui est en train d'être fait, qu'ils comprennent facilement que voilà, voilà, voilà les innovations qui sont mises à leur disposition pour améliorer leur situation. Euh, en fait, au niveau de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, nous avons euh, fait plusieurs rénovations. Premièrement, nous avons institué des conseillers emploi. Des conseillers emploi qui sont des personnes qui se présentent comme étant des médecins face à un malade. Normalement, un demandeur d'emploi, un jeune diplômé, quand il arrive ici, il doit être en principe accueilli par un conseiller emploi. Et le conseiller emploi, son travail, c'est quoi C'est de faire un diagnostic de la situation individuelle de chaque demandeur d'emploi. À partir du diagnostic, il peut euh, dégager ce qu'il y a comme problématique de son chômage, son problème de chômage. À partir de cette problématique, il peut déjà dégager des axes de recherche d'emploi. Maintenant, sur un autre aspect, donc euh, sur un autre aspect, nous sommes en train d'installer au niveau de chaque agence, euh, chaque agence euh, de l'ANPE, au niveau de la direction générale, des espaces d'information. C'est-à-dire ce sont des, cadres dans lesquels on va installer un conseiller emploi, un agent d'accueil qui vont essayer d'informer chaque demandeur d'emploi qui arrive sur toutes les opportunités de formation, les opportunités d'offre d'emploi et un ensemble d'informations sur des structures qui sont en mesure de les appuyer non seulement dans le cadre de la recherche d'emploi, mais aussi de les appuyer dans le cadre de la création d'entreprises. Donc ces espaces-là ces espaces-là sont en train d'être mis en place. On avait déjà installé ça au niveau de l'agence de Niamey. Mais bon, pour des petites questions de, euh, de fonctionnalité, le fonctionnement a connu euh, un certain arrêt. Mais on va reprendre très bientôt. Vous avez vu un expert avec qui j'étais tout à l'heure qui va nous aider à concevoir en tout cas la mise en place de ces espaces qui vont être des cadres d'information générales sur tout ce qui concerne l'emploi, la formation professionnelle, les opportunités de trouver de l'emploi, les entreprises et tout ce que vous pouvez avoir, dont vous pouvez avoir besoin concernant en tout cas euh, l'emploi. Donc voilà donc, euh, mm. sabon abubuwa in wasu sabon tsari ne aka kawo da suke iya samu komi za su iya jin shi a nan kenan ka kashe ka zamna gida ka zo cikin wannan kundin wanda ake kula da kai ka kare karatun ka ka zo ka yi aikin ka don muna tuna ma masu shuraren mu da suke samun ayyukanmu bisa kan lewi radio partenaire dans toutes les régions du Niger qu'ils peuvent envoyer leurs questions et recevoir tous nos contenus en s'abonnant à notre fil WhatsApp. Il suffit d'envoyer jeune au 80 06 88 54 un reportage réalisé par réalisé par Tarnan Ahmad sur euh, l'emploi des jeunes donc, euh, on va l'écouter. Un grand nombre de jeunes diplômés en chômage au Niger. Inquiet, les regards interrogatifs sur l'avenir, Abdou sociologue de formation, estime qu'obtenir un emploi au Niger est un véritable parcours du combattant. Aujourd'hui, au Niger, il paraît clairement qu'il y a une nouvelle façon de prendre les gens dans le cadre de l'emploi. Si moi, concrètement, je te parle de moi, moi j'ai déposé plus d'une centaine de dossiers hein centaines de dossiers. C'est à un seul dossier. On m'a dit, OK, on a vu mon dossier, on va me rappeler au cas. Sinon, vraiment, je suis à un moment dépassé de la situation. Quoi. Les opportunités et les chances d'avoir un emploi au Niger sont très minces. L'État, principal pourvoyeur d'emplois, ne peut tout seul garantir un emploi à tous. Wahab Abdoulaye, président du conseil régional de la jeunesse de Maradi. Il n'y a pas assez d'opportunités. Vu le nombre d'étudiants qui sortent diplômés et vu le recrutement qui se fait au niveau de la fonction publique, nous pouvons dire que on ne peut pas, à à long terme, éponger le besoin, le trou qu'il y a de besoin en emploi. Sorte qu'on ne peut pas avoir assez de jeunes qui sont employés au niveau même de l'État et dans le secteur privé. Un changement de politique en matière de recrutement des jeunes est nécessaire, estiment certains observateurs. Aux jeunes d'être créatifs pour entreprendre, estime Abdoulohab. Il faudrait qu'il y ait un éveil d'entrepreneuriat. Il faut que le secteur privé puisse se pousser. Parce que c'est le secteur privé qui peut à tout temps embaucher des jeunes et que des entrepreneurs nouveaux puissent voir le jour. Rester au chômage peut aussi être un choix dans le contexte actuel selon Abdul Momouni qui a soutenu son neveu jusqu'à l'obtention d'un emploi. Pour lui, il y a bel et bien des opportunités d'emploi au Niger. J'ai des petits frères aujourd'hui qui sont diplômés, qui attendent du travail. Mais c'est eux qui ont choisi peut-être d'attendre, sinon le travail est toujours là. On ne peut pas manquer de quoi faire. J'ai un neveu qui a fait les études. Avec le contexte actuel, je l'ai sensibilisé. Et aujourd'hui, il a pu trouver un endroit quand même où il a pu s'accrocher et gagner un peu sa vie petit à petit. A noter que même si la fonction publique nigérienne continue à recruter les jeunes, l'emploi au Niger reste une réelle problématique. Zainab, par rapport à ce reportage, à l'entrepreneuriat, tu as déjà pensé à, à une start-up au cas où ça coince encore pendant des mois. Oui, mhm. j'ai déjà pensé. Mais le problème qui se pose aussi ici, c'est le problème financier. Pour démarrer une start-up aussi, il faut un minimum de finances. Et là aussi, il y a des blocages. Ce pas toutes les entreprises qui vont accepter, financer une start-up qui, qui est à ses débuts. Donc, du coup, moi, j'ai eu à faire même du commerce pour essayer de, ne pas être au chômage, comme on le dit, mais avec euh, les blocages qu'on rencontre aussi, c'est pas facile. Merci Zainab. Bon courage à toi. On s'achemine tout doucement vers la fin de cette émission. Donc, euh, je vais donner la place à Olivier qui va nous dire sa chronique. Bonjour Rabi, ça va Ça va bien. Rabi, avant ma chronique, dis-moi concrètement combien de temps as-tu fait au chômage <laughs> je pense pas que j'ai été au, chômage. Ok. J'ai même pas fini euh, ma formation que j'ai déjà commencé un stage. Elle est si brillante, Ravi. Je commence cette chronique avec cette inquiétude de Akiwumi Adeshina, le patron de la Banque africaine de développement. Rabi, pour lui, il existe un défi majeur. Et ce défi Lequel Bon, il y a un défi parce que nous savons aujourd'hui plus de 472 millions de jeunes africains mais ce qui me donne beaucoup euh, d'inquiétude, c'est que 30% d'entre eux hein, n'ont pas l'emploi. Et notre 30% entre eux euh, ont l'emploi, mais ce n'est pas l'emploi euh, euh donc la qualité de vie pour les jeunes, c'est très important. Moi, je ne pense pas, et je n'accepte pas d'ailleurs, que l'avenir des jeunes africains reste en Europe. Voilà, Rabi, comme on l'a entendu aussitôt, le continent africain a toujours ce grand défi, le défi de l'emploi au niveau des jeunes. Et oui, dans la chronique de cette semaine, la liste des événements à ne pas rater est vraiment longue. Mais j'ai sélectionné ce qui me semble vraiment essentiel. Mais avant tout, il est à retenir que le majestueux hôtel de la chaîne internationale Radisson Blue a été inauguré mardi à Niamey, ainsi que l'aéroport international Diori Amani a été parfaitement rénovée. La capitale Niamey est donc prête pour accueillir l'Afrique du 7 au 8 juillet prochain pour le sommet des 55 pays du continent de l'avenir planétaire, c'est-à-dire l'Afrique. Merci euh, Olivier. Bien sûr que Rabi, je vais encore continuer. La nuit des internautes, c'était vendredi au square du Petit Marché. L'objectif de cet événement est de permettre au public présent de découvrir les grands chantiers de l'agence qui organise le tout prochain sommet de l'Union africaine à Niamey. L'objectif final étant de parvenir à mobiliser les Nigériens autour de la conférence de l'Union africaine. Certainement, vous... les participants, Olivier. Parfaitement, Rabi, ce sont en majorité les influenceurs, comme on les appelle, les internautes de la twittosphère, c'est-à-dire les animateurs du réseau social Twitter qui étaient là à la nuit des internautes. On va passer à une autre euh, information. Bien sûr que oui. Le Centre nigérien de promotion touristique CNPT a organisé les 1000 et une bouffes. C'était une journée de la gastronomie nigérienne. Outre le côté conférence, sur place était disponible des mets nigériens. Et comme toujours, Rabi, je vais vous parler les emplois qui sont proposés. Oui, la start-up 227 Tech recrute un infographiste ayant une bonne communication du mouvement et de l'animation en général, la suite à Dobe un logiciel de montage, bien sûr. Connaître la 3D sera un atout. Et aussi, la start-up recrute un monteur vidéo professionnel, PR, FCPX. Tout ça, c'est des mentions pour ceux qui sont euh, infographistes. il faut être créatif, avoir l'habitude des flux de production, bien évidemment. Il y a l'appel à candidature de la troisième édition du prix Jeune Entrepreneur francophone qui a été lancé aussi, Ravi. C'est bien ça, Olivier. Qui peut participer à ce concours Peut participer à ce concours euh, tout candidat étant jeune, âgé de 18 à 35 ans, dirigeant une entreprise qui existe déjà et qui est en fonctionnement. Les candidats doivent être francophones, donc ressortissant d'un pays membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Bien sûr, le Niger et les Nigériens sont conviés. En outre, il faut être entrepreneur, performant, disposant également d'une affaire qui fonctionne avec des réalisations avérées et vérifiables. Ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres challenges. C'était la chronique d'Olivier. On se retrouve la semaine prochaine prochaine pour plus de fun. Amis jeunes, c'est aussi la fin de tous à la FADA. Nous remercions nos invités, mais également l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce numéro. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions. Vous pouvez également recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Au revoir. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était le programme jeune du studio Kalangu, diffusé les samedis et les dimanches de 17h à 18h15. Tout de suite, place au forum du studio Kalangu.